parce que comme on a présenté le plan d'action prioritaire 2016 2020 il est au cœur du PDVD à travers quoi à travers la question de l'économie locale à travers la question de l'assainissement et de l'environnement même à travers la question de la citoyenneté Il faut adossé dama même si vous, avez même si vous, avez vous, un woon li vous, mais

risque de faire poser à leur existence mënuñu xaar lan nous avons un nekk taxawaayu kon bi may PDUD bi dama PDD horizon 2035.